le forum du studio le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou messieurs, bonsoir. Il est 18h passé de 15 minutes. Euh, si vous nous rejoignez, vous êtes à l'écoute euh, du forum de Studio Kalangu qui est un espace euh, d'échange avec des invités dans le respect mutuel. Nous faisons appel à des spécialistes ou des personnes bien indiquées pour discuter de thématiques d'actualité ou de société. Aujourd'hui, nous parlerons du musée national Boubouhama de Niamey. Quelle contribution au patrimoine culturel et touristique du Niger le musée national du Niger a été créé le 10 décembre 1958. En 2008, il prend le nom de musée national Boubou Hama qui est à l'origine de sa création. Cependant, beaucoup d'interrogations se posent sur le fonctionnement de ce conservatoire comme quelle est l'importance euh, du musée pour le Niger Quelles sont les difficultés qui entravent la bonne marche euh, du musée quels sont les animaux qui ont disparu du musée et pourquoi ils ne sont pas remplacés Comment accéder au musée pour les curieux nigériens, les scolaires, chercheurs, étrangers et touristes Que peut apporter le musée au tourisme du Niger Pourquoi créer des écoles et quel apport pour le musée Comment améliorer la situation du musée Boubouhama ce sont à ces questions et bien d'autres que nous allons tenter de trouver des réponses avec nos invités ici présents. Monsieur Ali Bida, directeur du Musée national Boubouhama, bonsoir. Bonsoir. Et Monsieur Anafi Souleyman, cadre supérieur du ministère du Tourisme et de l'Artisanat, bonsoir. Bonsoir. Et à la présentation, Raylette Soumana. Avant de rentrer dans le vif euh, du sujet, M. Ali Bida, vous êtes le directeur du musée national. Euh, Présentez-nous le musée, sa mission et les objectifs euh, visés. D'abord, merci de l'opportunité que vous nous donnez pour un peu parler du musée. la principale mission du musée, c'est de sauvegarder et diffuser le patrimoine culturel mis à sa disposition donc, euh, le patrimoine culturel du musée se compose pour une part le patrimoine euh, matériel et pour euh, l'autre part des spécimens de la faune, donc les animaux que nous retrouvons dans les grands parcs du Niger, le parc de W, le parc d'Air Ténéré. E, et, et depuis quelques années, nous avons, grâce à notre collaboration avec euh, le musée de Canou, nous avons acquis des espèces qui nous viennent d'ailleurs, des émus, qui sont des animaux presque euh, des autruches, mais elles sont différentes des autruches au niveau des pieds et au niveau de la tête. Mm-hmm. Mais de loin, on, croirait que ce sont des autruches, mais elles ont trois euh, orteils, les, les autruches en ont deux. Merci, Monsieur Bida, Monsieur Anafi. Vous êtes euh, cadre du ministère du Tourisme. Le musée national porte le nom de Boubou Hama. Quel rôle a joué cet homme de lettres et homme politique pour que le musée prenne son nom Merci beaucoup pour l'opportunité que vous nous offrez de venir nous exprimer. Effectivement, Boubou Hama est une figure emblématique de la culture nigérienne. On ne peut pas faire des recherches sans tomber sur des écrits de Boubou Hama. Et ce sont des écrits éminemment culturels. Et ce ne sont pas des études qu'il a faites dans des bibliothèques. C'est un homme qui a sillonné le Niger à dos de chameaux de cheval et autres pour collecter le patrimoine culturel depuis qu'il travaillait, qu'il était chercheur de l'IFAN. Et c'est d'ailleurs sur le site de l'IFAN que ça a été créé. L'IFAN, c'est l'Institut français d'Afrique noire, qui est l'ancêtre de l'actuel musée, parce que tous ceux de la génération de nos aînés connaissaient le musée sous le nom de IFAN. Mhm. Donc euh, c'est quelqu'un qui a beaucoup fait pour la culture nigérienne et qui a été le principal acteur de la création de ce musée. Et Boubou Hama est important pour nous parce que pour faire la publicité de la destination nigérienne, nous avons besoin d'écrits. Mhm. Et les, écrits de Boubou Hama sont utilisés pour valoriser la culture euh, nigérienne dans les pays émetteurs de touristes. D'accord. Merci, Monsieur Anafi. Euh, à vous, Monsieur Bida, directeur du musée national. Quelle est la superficie du musée et les différents pavillons, écoles, ateliers et autres euh, Le musée à sa création euh, en décembre 1958. À sa création, il couvrait une superficie de 44 hectares environ. Aujourd'hui, il couvre environ 10 hectares, puisqu'il y a un travail de relevé topographique qui a été fait il y a pas longtemps mhm. par une équipe de l'IGNN et de la communauté urbaine de Niamey. Pourquoi avoir réduit euh, la superficie La réduction de la superficie est née avec euh, des réalisations qui ont vu le jour tout autour du musée et à commencer par euh, d'abord l'ONAREM, là où se trouve le ministère de l'énergie aujourd'hui. Mm-hmm. Nous avons la euh, BCAO, nous avons la SONIDEP, nous avons même le CCFN, puisque c'était sur le titre foncier du musée national, et la LOLANI, et beaucoup d'infrastructures, si bien que toute cette partie a été délaissée Mm-hmm. pour se concentrer à un espace maintenant qui couvre environ 10, hectares. D'accord. Et concernant les pavillons et autres bassins, je sais pas. Les pavillons, nous en avons sept. Le mm-hmm. Pavillon Boubouhama, que nous avions euh, réappelé plus tard puisque de tout le musée s'appelle Boubouhama depuis 2006 et donc euh, maintenant c'est un pavillon classique donc nous avons un pavillon des instruments de musique traditionnels du Niger. Mhm. Nous avons un pavillon des différentes tenues traditionnelles du Niger. Nous avons un pavillon de paléontologie préhistoire. Mhm. Nous avons un pavillon d'uranium qui est né avec l'exploitation de l'uranium euh, au Niger en 1987. Nous avons depuis peu un pavillon du pétrole qui est aussi fourni, qui euh, montre tout le travail qui est fait autour de cette euh, richesse importante euh, pour le Niger. Mhm. Nous avons un pavillon de l'architecture des terres et un pavillon de l'archéologie. Ok, donc euh, les ateliers aussi, euh, les bassins, les cages des animaux. Nous avons des habitats d'animaux qui sont un peu épars euh, mhm. sur toute l'étendue du musée. D'accord. Et avec quels moyens fonctionne le musée, notamment financier Les moyens financiers, c'est d'abord la subvention de l'État. L'État accompagne le musée depuis, depuis qu'il est, né. Mhm nous avons depuis 1990 des recettes propres issues de la vente des tickets, mhm. des tickets d'entrée, mhm. dont euh, l'ordre tarifaire est de 50 francs pour les enfants, 100 francs pour euh, les scolaires et militaires, 200 francs pour les adultes nigériens, 500 francs pour euh, les résidents au Niger, mhm. donc les expatriés et résidents, et 1500 francs pour les touristes. Donc comment vérifier tout ça On exige une pièce d'identité ou comment ça marche à l'entrée À l'entrée, il n'y a pas de pièce d'identité, mais nous avons euh, deux portiers qui font le nécessaire quand même pour euh, que les gens prennent euh, les tickets, pour passer par la diplomatie. Mhm. D'accord, merci Monsieur Bida, directeur du musée national, Monsieur Annafi, euh, agent du tourisme. Pourquoi ce changement de statut et quel cela signifie pour le fonctionnement de l'établissement Bon, vous savez, depuis un certain temps, l'État est en train de céder certaines de ses attributions, mhm. soit en les rendant autonomes, soit en les cédant en concession à des privés. Dans le cadre du musée, il a été rendu autonome parce que, vous savez, on a un problème pour financer la culture. Le patrimoine appartient à tout le monde. On ne peut pas le vendre. On est obligé de trouver des astuces pour qu'il rapporte les moyens de sa survie. L'État a l'obligation de préserver le, patrimoine culturel, matériel, immatériel et autres. Mais aussi, un musée ne peut pas vivre que de la subvention de l'État. Il lui faut avoir euh, là un statut qui lui permette de faire des recettes. Mhm. C'est pour ça qu'on change le statut. En plus des recettes de l'État, il est obligé de générer des ressources. Et ces ressources-là sont soit constituées par les droits d'entrée, soit constituées par des boutiques ou des librairies qui sont dedans, qui font des ventes de produits et de souvenirs, soit par des parkings payants. Mhm. Mais ils sont obligés d'imaginer quelque chose pour qu'ils aient. Parce que la subvention de l'État, vous connaissez le processus. Quand vous déposez vos factures, vous avez 6 à 7 mois pour que les crédits soient ouverts et pour que ça sorte, ça prend du temps. Mais avec les recettes là, on peut quand même assurer le minimum en attendant. Le musée, il a des charges énormes. Quand vous prenez l'eau, l'électricité, la nourriture des animaux, la, conservation et tout le personnel, c'est des charges. Mm-hmm. Et la subvention de l'État seule ne peut pas. Donc c'est pour ça qu'on a changé le statut. Et ce n'est pas seulement au Niger, c'est partout comme ça. Est-ce qu'on peut dire aussi les fêtes organisées au sein du musée euh, pour les enfants lors des fêtes, ils euh, contribuent aussi Oui, les fêtes organisées, d'abord, elles ont deux aspects. Elles génèrent des recettes, mais aussi elles font de la publicité pour l'établissement. Parce que quand on organise, euh, comment elle s'appelle, la fête de l'année Baby Fiesta, mhm. vous avez pendant un mois, on parle du musée, on parle du musée. Et tout le monde entend. Ça vous donne envie de le visiter après. Maintenant, peut-être ce qu'il faut, c'est que les organisateurs de ces fêtes-là doivent assurer le service après-vente. Parce que c'est quoi le service après-vente Vous organisez une manifestation qui réunit 300 à 400 jeunes. Ces jeunes-là, ils laissent des déchets dans le musée. Des plastiques, des, des, des, des sachets d'eau de, d'eau et autres. Mhm. Il faudrait que toi, l'organisateur, tu t'engages après à nettoyer. Exactement. Les recettes que vous générez là, elles sont comptabilisées et il y a des procédures pour les faire. Mais les dépenses supplémentaires occasionnées par votre fête, elles ne sont pas prévues dans la nomenclature des dépenses. Donc il faudrait que ce soit un aspect qui soit pris en compte. Merci M. Anafi. Euh, M. Bida, directeur euh, du musée national, à quelle hauteur euh, ces fêtes organisées au sein du musée contribuent à l'entretien du musée merci. Les fêtes, les fêtes que nous organisons depuis une euh, décennie maintenant, au moins, elles ont plusieurs aspects. Nous sommes euh, des acteurs culturels et nous avons en charge la mise en œuvre de la politique euh, culturelle nationale. Et c'est à ce titre que nous organisons des fêtes. C'était plus propice puisqu'on a essayé beaucoup de stratégies. Donc, ce qui était plus efficient, c'était les fêtes religieuses, Tabaski et Ramadan. Donc, euh, ça, le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est vrai, ça génère vraiment de ressources. Et le troisième aspect, nous contribuons à, assainir le climat, puisque les jeunes, quand ils viennent au musée, toute la journée, ils ne pensent qu'à s'amuser. Donc, au lieu d'aller faire autre chose, peut-être qui ne va pas dans le bon sens, au moins, ils sont gardés à l'intérieur du musée. Sous surveillance. Voilà. Mm. Et là, nous sommes euh, accompagnés dans l'organisation de cette fête par la police nationale depuis le début et je leur rends hommage. Et les tapeurs pompiers qui viennent aussi en cas de difficulté, quand il y a une foule, donc tout peut arriver. Donc ils sont là pour parler au plus pressé et ils nous accompagnent aussi depuis le début. Mhm. Donc c'est des manifestations qui, sont encore organisées par le musée, mais qui ont beaucoup de, de sens pour nous. D'accord ça constitue une manne importante de recettes qui rentre quand même dans le fonctionnement du musée. D'accord, mais en gros, combien de visiteurs enregistrez-vous par mois, par an Rien qu'avec les fêtes, on peut avoir 3 à 4 000 visiteurs par jour. Et nous faisons au moins 3 jours d'organisation. Mhm. Mais sinon, par mois, on pouvons avoir 11 euh, à 12 000 visiteurs. Le gros des visiteurs, c'est des jeunes, surtout des jeunes ingénieurs, surtout les jeunes des écoles, puisqu'il y a des écoles qui viennent. Des visites d'études euh, Oui, des écoles, des fois, c'est pour compléter leurs cours. Par exemple, la connaissance de la faune, un enfant qui a grandi intramuros dans Niamey, peut-être il ne connaît pas une chèvre. Si ce n'est pas un enfant des quartiers un peu populaires, il ne connaît pas tous ces types d'animaux en dehors des jours de, fête mhm. ou des veilles de fête. On ne connaît pas les animaux sauvages, surtout le lion. On en parle beaucoup dans les manuels scolaires. Donc, c'est avec ces visites, les enfants voient de visu les différentes espèces et ils posent des questions. Nous avons des guides qui sont là pour les renseigner fera des euh, différentes facettes euh, du musée. Merci, M. Vida. M. Anafi, quelle est la contribution du musée pour le tourisme au Niger donc euh, effectivement, le musée rentre dans ce que nous appelons le package, l'offre que nous faisons aux touristes qui visitent Niamey. Et n'importe quelle destination, il y a le tourisme culturel. Mhm. Parce que le musée, nous avons la chance, il est le concentré de tout ce que nous pouvons offrir au Niger il y a notre culture, il y a la, nature, parce que le musée abrite un zoo mhm. qui regroupe beaucoup d'animaux. Donc c'est déjà un avant-goût avant, d'aller à la tapoa. Par exemple, vous avez déjà un avant-goût dans le musée. Avant d'aller dans les villages, vous avez un avant-goût de la culture nigérienne avant d'aller. Et c'est une destination importante qui, si elle n'était pas à Niamey, allait amoindrir notre offre touristique vis-à-vis Et c'est une offre qui donne à Niamey un avantage comparatif, y compris pour le tourisme intérieur. Pendant de longues années, quand vous quittez le village, vous venez à Niamey, votre première destination, c'est le musée. Et c'est ce que vous aimez raconter aux autres. Exactement. Donc, <laughs> effectivement, donc ça fait partie de l'offre de Niamey. Et il est dommage parce que la culture est en train de partir. La, la vieille ville de Niamey, elle est en train de disparaître. Aujourd'hui, ce n'est qu'avec le musée qu'on peut avoir un aperçu de l'architecture traditionnelle du Niger. Aujourd'hui, les jeunes, ils pensent que c'est des choses dépassées, mais c'est ça qui fait notre identité. Mhm. Et ils sont en train de l'abandonner pour des produits bon marché qui leur viennent. Alors que le musée, avec les collections qu'il a, nous donne un avantage parce qu'un Japonais ne va pas venir ici pour découvrir l'électronique. Il vient ici, la seule chose qui peut l'attirer chez nous, c'est notre culture. Et le musée fait partie de, ce patrimoine-là. Mhm. Donc c'est important. Mais effectivement, il faut euh, peut-être faire attention à la dégradation. Parce que nous, quand nous faisons une offre, il faudrait que nous calculions le seuil de fréquentation pour que ça ne soit pas saturé et que ça soit durable. Et que surtout, ça génère des dépenses. Euh, donc, c'est quelque chose qui est très important pour le tourisme à Niamey. Et ce n'est pas pour rien que toutes les régions du Niger veulent créer des musées. Et donc, euh, il y a des pavillons d'instruments traditionnels, tenues traditionnelles, archéo, paléontologie. Mais est-ce que ça ne serait pas intéressant aussi euh, d'initier quelque chose euh, de la cuisine traditionnelle pour un peu attirer Effectivement, nous nous considérons la gastronomie comme une culture. C'est un savoir-faire traditionnel, mais elle est plus du patrimoine immatériel. Vous voyez, parce que vous ne pouvez pas conserver un repas dans un musée. Pas conserver, mais, le savoir au moment où il y a plus de foule, euh, de leur proposer. Ce que nous sommes actuellement en train de faire et de réfléchir, c'est de créer un salon de la gastronomie nigérienne, d'imposer la gastronomie nigérienne dans les hôtels, d'imposer ça dans toutes les manifestations organisées par l'État du Niger, au lieu que quelqu'un vienne manger du, des frites qu'on lui propose du <laughs> mot ou quelque chose. <laughs> Exactement. Donc, effectivement, il y a beaucoup d'aspects secondaires. Mhm. Parce que nous, le musée, c'est un point de départ. Mais le musée, euh, il a un prolongement dans la société mhm. qui doit être là. Effectivement, un pavillon de la gastronomie, c'est aux spécialistes de le réfléchir. Et je vais lui poser la oui, question. c'est aux spécialistes de le réfléchir. La gastronomie fait partie de vos projets euh, futurs pour le euh, musée La gastronomie et le, patrimoine immatériel, il, en ce sens, est difficile à conserver. Mm-hmm. c'est des manifestations d'esprit. Hmm? mais un seul exemple, depuis un moment, dans des, ateliers, ils ont introduit en pause café du <laughs> mais je vous assure que même à, la l'ambassade des États-Unis, quand ils font leur fête nationale, ils ont introduit du copto. Mm-hmm. Donc, c'est déjà un bon, bon, début pour la, la gastronomie nigérienne. Mhm. D'accord. Donc, avant de continuer l'émission, je vous propose de suivre les interventions de quelques visiteurs que nous avons rencontrés au Musée national. Nous contempler la nature, contempler les animaux. Qu'est-ce qui vous a plu Je vis des animaux que je n'ai jamais vus dans ma vie. Par exemple, ceux-là, je ne les ai jamais vus oui, l'Autriche, bien sûr, parce que je ne connais pas le nom. Mais aujourd'hui, avec cet euh, voyage d'agrément, je puis voir l'Autriche. Euh, Où est-ce que vous avez entendu parler du musée J'ai entendu parler de cette maison depuis que j'étais au village. Je suis des Finlandais. J'ai décidé, Inch'Allah, quand je serai à Yamé, je ferai tout pour que je puisse venir euh, contempler ce musée national. C'est pour amener les enfants pour regarder les animaux il y a certains enfants qui ne connaissent pas les animaux. ils viennent à musée aussi, ils peuvent le savoir en les disant leur nom. Nous voulons que les amène amènent des animaux que les enfants ne savent pas. Il faut qu'on arrange le musée, au moins. Toujours si je viens là, c'est pour ça que je trouve les lieux. Hein? On devrait arranger les lieux et mettre les animaux dans des conditions pour que les enfants demandent toujours de venir. S'ils ils voient toujours des nouveaux animaux ou bien le lieu est propre, chaque fois ils vont venir. Je vois ça seulement à la télé, mais j'ai décidé ce dernier temps de venir visiter et voir comment est les animaux, dans quelles conditions ils vivent. Quelle est votre première impression En tout cas, moi, j'apprécie de voir, en tout cas, c'était cool. Ça m'a étonné de voir beaucoup de gens comme ça, parce que je ne pensais pas que les gens allaient venir nombreux. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on améliore euh, de plus À mon avis, je veux que l'on améliore leur environnement là où ils sont ça semble être ça, il y a beaucoup de déchets. Et puis aussi, on devrait avoir des gardiens ou des surveillants qui vont surveiller les enfants de ne pas jeter que des choses ou bien des déchets dans leur environnement. Voilà, vous venez de les entendre. Euh, les visiteurs, euh, ceux-là, ils se plaignent de l'insalubrité dans les enclos. Monsieur Anafi, comment expliquer Bien, vous savez, toute activité génère des déchets. C'est ce qu'on appelle les externalités. Et maintenant, c'est une stratégie de gestion. De gestion, comment traiter ces déchets-là. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, les charges de fonctionnement d'un musée, elles sont énormes. Et souvent, les ressources n'y vont pas avec. C'est vrai, vous pouvez avoir 1000 personnes qui visitent le musée avec 50 francs. Ça fait 50 000 pendant trois jours, 150 000. Mais le reste de l'année, qu'est-ce qu'on fait Or, il faut la nourriture des, lions. C'est des animaux qu'on tue pour leur donner. Il faut d'abord prioriser leur survie. Maintenant, il y a des charges, ça, le, conservateur va vous, vous expliquer mieux, mais c'est des charges inhérentes au fonctionnement normal. Peut-être qu'ils vont mettre en place une stratégie, parce que nous, ce qui nous préoccupe, c'est que si on envoie un touriste, qu'il trouve un environnement sain, et qu'il apprécie et qu'il en parle autour de lui. Parce que c'est les touristes les plus rentables. 1500 francs par entrée, ceux qui sont importants. Or, ils ne vont pas y aller et les opérateurs de tourisme ne vont pas les amener si le cadre n'est pas agréable. Effectivement, c'est une préoccupation. Le, conservateur a écouté comme moi qu'il va prendre ça en compte. Parce que moi, dès que j'ai un ami qui vient, ce que je lui propose, c'est d'aller au musée. Et j'insiste pour qu'il paye parce qu'il contribuent au développement de la chose. Mm. Mais je souhaiterais que ces amis-là qui vont venir d'Europe ou des États-Unis trouvent un endroit impeccable, propre, surtout les sachets-là, et les, bassins des animaux et tout ça là, qu'ils soient régulièrement entretenus. Je sais qu'il a des difficultés, mais c'est un plaidoyer que nous, souhaitons mm-hmm. pour que l'État augmente son intervention dans le musée pour au moins prendre les charges fixes. C'est des charges qui reviennent toujours, et qu'elles soient prises. Merci, M. Anafi, euh, cadre du ministère du Tourisme. M. Bida, directeur du Musée national, comment se fait l'entretien de ces lieux avec combien de personnes Tout euh, le personnel du musée, en tout, tout, nous sommes 50. et bien que tout le monde est occupé à une tâche. Depuis deux ans, nous n'avions aucune manœuvre pour faire l'entretien. Pour quelle raison Parce qu'il n'y a pas de personnel. Nous étions obligés de faire appel à une ONG, de faire un contrat avec l'ONG qui fait des prestations deux fois par semaine, les lundis et les vendredis. je pense qu'ils font de leur mieux puisque avant eux, c'était des ramassages de déchets solides, les sachets, les papiers et consorts, mais eux, ils balayent ce qui fini davantage. Mais vous savez, nous avons une société de sachets partout. Nous avons des poubelles à l'intérieur du musée. L'éducation aussi de la population est importante. Les jeunes ne sont pas éduqués que quand ils ont un sachet, à main, de le mettre à la poubelle. On le jette par terre. Cela nous complique davantage de la tâche. Et en ce qui concerne l'entretien des cages, des bassins Non, pour les cages et les bassins, chaque, chaque animal a quelqu'un, a un responsable qui est sur lui 24 heures sur 24. Toute la matinée et le soir, par exemple, au niveau du hippopotame, qui a le plus de problèmes, puisque l'hippopotame consomme 150 kg d'air par jour. Nous en avons deux, ça fait 300 kg. Quand ils font leur déjection dans l'eau, une fois, c'est fini. C'est vrai que l'eau est un peu euh, noirâtre. L'eau est noire, si bien que nous faisons l'entretien deux fois par jour. Le matin, ils lavent, ils les remettent dans une eau propre. L'après-midi, ils lavent encore les gens ne voient pas peut-être les efforts qu'il fait. Depuis 2014, nous avons approché la coopération suisse mhm. pour, euh, parce que nous avions un problème d'eau. Quand nous étions arrivés au musée, la consommation mensuelle, surtout durant les, périodes euh, chaudes, ça faisait autour de 2 500 000 par mois. Depuis 2014, Dieu merci, avec la coopération suisse, nous avons un forage qui alimente euh, le musée et, tous les abords du musée, puisque nous, il a euh, pompe à 11 mètres cubes heure. 11 mètres cubes heure. Donc désormais, le musée n'a plus de problème d'approvisionnement. Nous n'avons plus besoin d'eau. D'accord. Ah, nous, nous sommes autosuffisants. Ah, pour les animaux. Mhm. Les animaux, la réflexion, les animaux, c'est comme les hommes, c'est les êtres vivants. Les animaux, avec l'âge aussi, ils disparaissent, ils meurent. Est-ce que vous les remplacer La politique de remplacement, nous n'avons pas les moyens pour les remplacer. Un couple de lionceaux coûte 10 millions. Si nous mettons 10 millions pour payer un couple de lionceaux, on ne peut pas faire beaucoup autre chose. Donc en captivité, ils ne se reproduisent pas. Non, ils se reproduisent. Ils se reproduisent, les lions. Mais les, tous les lions qui se reproduisaient sont, euh, sont fatigués sont, ou sont, morts mm. avec l'âge. Maintenant, nous, gérons ceux qui, ceux qui sont là. Et nous avons quatre euh, vieux lions qui sont en train de, rouler leurs vieux jours. Est-ce que vous comptez remplacer ces espèces-là euh, Nous comptons remplacer parce que euh, le ministre de l'Environnement a fait une visite euh, au musée il y a un, deux mois. Il, a vu la situation lui-même et il est pour la capture au niveau du parc W pour alimenter mhm. le musée. Euh, nous avions écrit à la signature du ministre pour euh, l'envoyer au ministre de l'Environnement pour euh, faire la capture des animaux pour remplacer ceux qui, ceux qui sont qui, qui sont plus là. Mhm. Mais nous avons aussi des bonnes volontés qui, qui, qui, nous viennent en aide. Nous avons des agents des eaux forêts à la retraite qui, qui à chaque fois qu'il a sera sur une espèce, mhm. il la ramène automatiquement au musée. Sans frais, sans rien. Gratuitement, ils viennent, ils donnent au musée. Je vais les remercier vraiment beaucoup pour euh, ce geste euh, qu'ils font pour, euh, pour la, toute la nation parce que c'est le musée, c'est pour tout le monde. Mhm. Nous devons être fiers de notre musée. Donc, nous devons mettre les moyens pour que ce musée soit le plus bon, puisque c'est le, plus, le meilleur dans toute la sous-région. Mhm. C'est le premier être le meilleur encore. On va en parler tout à l'heure. Ah. Donc, euh, Monsieur Anafi, euh, à votre avis, est-ce que tous ces problèmes énumérés plus haut pourraient impacter sur le nombre de visites, un peu l'insalubrité, un peu les espèces, euh, les animaux qui meurent Vous savez, en matière, c'est comme le marketing traditionnel. Ah. C'est l'image de marque. Le musée a une histoire, comme il le disait tout à l'heure, c'est le meilleur. Vraiment, il a été conçu de manière scientifique et très, très, très, très euh, recherchée. Mhm. Il y en a très peu en Afrique. Il y en a d'autres créés par le même institut, mais qui n'ont pas la qualité de celui de Niamey. Mais son image de marque doit être maintenue toujours au plus haut niveau. Mhm. Pourquoi Nous sommes en train de vouloir faire de Niamey un hub d'affaires. Vous avez tous les investissements qui sont faits dans Niamey, les hôtels, les échangeurs et tout pour embellir la ville Niamey-Niala. Ce sont des infrastructures sur lesquelles on ne peut pas imposer des péages. Mais avec le tourisme, on peut faire rentabiliser tout ça parce qu'il génère des recettes sur tout ça là. Mm-hmm. Parce que quand quelqu'un vient pour une conférence à Niamey, notre souhait est qu'au moins il visite le musée et qu'il fasse trois ou quatre restaurants et qu'il aille dans des soirées culturelles. Mm. Donc, nous, notre souhait est que toujours le musée ait une image des marques très élevée. Donc, effectivement, c'est pour ça que j'ai dit, je connais les difficultés qu'il rencontre dans sa gestion. Et il ne va pas vous dire que les recettes ne lui suffisent pas. Parce qu'aujourd'hui, on quand tu es responsable, ce n'est pas à toi de dire il me faut plus. Mais la culture, elle est financée d'abord par les États, pas par le privé. Mm-hmm. Lorsqu'on va privatiser la culture, c'est grave. Donc, j'ai dit jour je lance un appel pour que ça soit l'État augmente la subvention et surtout les subventions des charges fixes, c'est-à-dire ces charges de personnel-là, doivent être prises. De plus, il faut faire attention au taux de fréquentation. Le taux de fréquentation, il est bon quand c'est des recettes. Mais très souvent, le taux de fréquentation, il peut aussi dégrader mhm. l'outil. C'est pour ça, il vous a dit tout à l'heure qu'on a un manque d'éducation civique pour mettre les sachets dans une poubelle alors que la poubelle est à 2 mètres. On préfère le, boire et, le jeter, sur place. Mhm. D'accord. Merci, Monsieur Anafi. Vous êtes cadre du ministère euh, du Tourisme et de l'Artisanat. Au musée, euh, en plein centre, on peut apercevoir euh, des squelettes de dinosaures en résine, je crois, disposés en plein air. Où sont conservés les vrais ossements Sont-ils sécurisés les, les, vrais ossements sont conservés à la réserve. Et une recherche eh, c'est très rare que vous trouviez 50% des ossements des animaux qui ont vécu il y a des centaines d'années. Ce n'est pas évident de retrouver aujourd'hui. Aller au, cimetière après 10 ans, puisque c'est le, même terrain, il n'y a pas beaucoup d'ossements qu'on retrouve. Vous voyez ça maintenant sur, sur, ans. Pourquoi avoir opté pour la conservation à la réserve non, mais nous avons des, spécimens exposés. Nous avons des spécimens qui sont exposés, qui, qui ont été reconstitués, qui sont complets. Ça n'a pas d'intérêt d'exposer un os éparse. Vaut mieux exposer ce qui est reconstitué que d'exposer un seul os. Il ne pas parlant. Il faut exposer ce qui est parlant. Est-ce que euh, le Niger paye pour euh, la conservation de ces ossements-là les des ossements sont, appartiennent au Niger. Et dans ce cadre, nous sommes en train de travailler, le ministère de la Renaissance euh, est en train de travailler avec euh, l'Université de Chicago, dont l'équipe a, fait des trouvailles, pour construire un, grand pavillon qui va recueillir tout ce qui est ossements paléontologiques, archéologiques puisque en dehors de la paléontologie, ils ont aussi découvert des ossements humains dans l'Aïr. Ce pavillon va recueillir toutes ces pièces. Merci. On va aller rapidement. Monsieur Anafi, le musée dispose aussi d'une école et plusieurs ateliers de formation. Quel changement avez-vous constaté sur la fréquentation du musée et les fonds récoltés du fait d'abriter une école au centre Bon, c'est-à-dire qu'il faut d'abord parler de l'école. Il y a une école de formation professionnelle mm. à la l'enceinte du musée qui est vraiment très utile pour la société. Mais ce que je remarque, c'est que ce n'est pas une école orientée essentiellement sur la culture, mais c'est une école professionnelle, c'est-à-dire on apprend la mécanique et les métiers courants pour recycler. Je souhaite, moi, qu'on permette au musée d'avoir une école qui forme des conservateurs, qui forme des personnels pour entretenir ces animaux et qu'on forme des personnels qui puissent monter un spectacle sur la culture qui est exposée là-bas. Et les écoles professionnelles, c'est un centre très important pour la société mais il doit être ailleurs que dans le musée pour faire de la mécanique. Ok, bon, les recettes, il y en a, mais comme je vous dis, elles repassent dans l'outil. Et je voudrais aussi, par rapport à votre précédente question, relativement à l'exposition des dinosaures. Vous savez, un dinosaure, c'est quelque chose qui comme un trésor. On ne peut pas l'exposer dans la rue. Et il peut être non seulement exposé à la dégradation, mais il peut aussi être victime du mercantilisme des hommes parce que c'est des trucs qui font l'objet d'un trafic. Donc il faut les laisser dans les réserves. Mm-hmm. Tout le monde sait que c'est des reconstitutions qui sont là. Donc, on va aller rapidement. En 2016, le musée Boubouhama a reçu un trophée attribué par euh, l'African Art Museum of euh, Maryland des États-Unis d'Amérique. Dites-nous dans quel cadre cette distinction lui a été attribuée et surtout, qu'est-ce que cela signifie pour le musée national Merci. Euh, cette distinction est issue de différentes collaborations que nous avons avec des musées aux États-Unis et nous sommes ouverts aussi sur euh, tous les continents pour euh, une collaboration avec euh, des, institutions pères. Donc, n'est pas étonnant qu'un musée américain donne une distinction au musée. Et nous avons eu une coopération avec un autre zoo américain qui, parmi tous les pays qui ont concouru avec nous, notre euh, collaboration était jugée la meilleure. Donc, euh, nous sommes ouverts pour ça. Mais je vais revenir sur le centre éducatif. Le centre éducatif a été créé en 1970. En ce temps, il n'y avait pas de formation professionnelle. C'est l'ancêtre de la formation professionnelle au Niger. Mhm. Quand on l'a créé en 1970, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'enfants qui sortaient de l'école et qui n'avaient aucun métier, aucune activité. Donc il fallait parler au plus pressé. Il y a eu la création des ateliers de mécanique auto, de soudure, menuiserie métallique, menuiserie bois, électricité, couture, plomberie bâtiment et batik. Batik a fait le plein puisque maintenant partout dans la ville de Niamey et à l'intérieur du pays. Nous avons des jeunes qui se sont lancés pour et qui font la formation eux-mêmes. Ils forment d'autres jeunes qui viennent euh, à, leur côté. Donc, euh, le centre ne forme plus en batik. Donc, c'est juste une euh, école de la seconde chance. Mhm. pour permettre à des élèves qui n'ont pas les moyens d'aller dans, les centres de formation professionnelle où ils vont payer des, centaines de millions mm. ou dans ces centaines de mille pour devenir venir au musée acquérir une formation et nous pensons que la formation qu'ils ont au musée est une très bonne formation mm. puisque la Nigérec et la FNE, à chaque fois qu'ils commencent leur euh, recrutement, commencent par les élèves du musée. Merci, Monsieur Bida. Euh, brièvement, Monsieur Anafi, dans les années 80, ce musée était l'un des plus beaux d'Afrique. Quelle place occupe-t-il aujourd'hui Est-ce qu'il est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO Bon, patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est le ministère de la Renaissance culturelle qui gère ça. Mais je me réjouis déjà des distinctions que ce musée-là a eues, mhm. parce que nous, ça nous facilite la tâche pour le vendre. C'est un musée qui est une référence en Afrique. Mhm. Il a eu beaucoup de distinctions au niveau international. Mhm. Et dans ces pays qui lui ont donné ces distinctions, mhm. nous, il nous est plus facile de dire c'est le meilleur. Venez le visiter. Par exemple, aux États-Unis, ils lui ont donné une médaille. Il est facile pour nous d'expliquer à un Américain que notre musée est bon, surtout que c'est une institution américaine qui l'a distingué. Et c'est le, cas de l'inscription au patrimoine mondial, c'est surtout non seulement pour conserver l'outil, mais aussi pour faire ça publicité pour que les gens viennent le voir. Merci, euh, chers invités. Nous étions avec euh, M. Ali Bida, directeur euh, du musée national Boubou de Niamey, et M. Anafi Suleiman, cadre du ministère du Tourisme et de l'Artisanat, pour parler du musée national Boubou de Niamey, sa contribution au patrimoine culturel et touristique du Niger. La principale mission du musée, c'est de sauvegarder et diffuser le patrimoine culturel et des spécimens de la faune nigérienne mis à sa disposition. Cependant, le musée national rencontre certaines difficultés dans sa gestion, dont, entre autres, l'entretien des lieux et le remplacement de certains spécimens d'animaux tels que les lions. À ce propos, le ministère de l'Environnement prévoit la capture d'animaux du parc W pour alimenter le musée, selon le directeur du musée national Boubouhama, M. Ali Bida puisque ce conservatoire qu'est le musée appartient à tous les Nigériens, chacun se doit d'y contribuer pour que son image de marque soit maintenue au plus haut niveau, a ajouté M. Anafi Suleiman du ministère du Tourisme et de l'Artisanat. Pour finir, nos invités pensent qu'une augmentation de la subvention des charges fixes de la part de l'État du Niger au musée pourrait améliorer sa gestion et le fonctionnement du musée national Boubouhama. Merci chers auditeurs de nous avoir suivis. C'est la fin de ce forum. Retrouvez les programmes de studio Kalangu demain à partir de 17h. C'était Raila Toussoumana à la présentation et Seine Isaka à la technique. Au revoir.